sommes à vendredi 15 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec nos confrères des médias de Niamey. Cette semaine, nous parlerons tout d'abord de la décision des autorités communales de la commune urbaine d'Agadez euh, qui envisage de déguerpir les personnes anarchiquement installées sur le site de l'aéroport international Mano Dayak. Ensuite, le retrait par les autorités nigériennes des autorisations d'exercice des les ONG, de l'ONG française Agence d'aide à la coopération et au développement ACTED, de l'ONG Action pour le bien-être APBE et de l'ONG International Safety Organization INSO Niger. Enfin, la signature d'un accord de paix le week-end dernier entre les communautés de neuf villages des départements d'Abala et de Filengue. Pour en débattre, je reçois Hussein Issa, journaliste indépendant. Bonsoir, doyen. Bonsoir, Nafisa. Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir, Madame Nafissa. Et nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Je suis Nafissa Adam pour à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue. À Agadez, près de 700 maisons ont été recensées construites anarchiquement sur le site de l'aéroport international Mano Dayak. C'est ce qu'a déclaré l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Agadez, le chef de bataillon Assarid Al-Mustafa, à l'issue d'une visite sur le terrain avec les responsables de la SECNA et des services de l'urbanisme. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il y a même eu, en tout cas, des croix qui ont été placées sur les maisons concernées pour alerter, pour, en tout cas, faire croire aux populations qu'ils sont, en tout cas, dans l'emprise de l'aéroport. Mais malheureusement, la population, euh, il continue de s'installer anarchiquement. On constate, on met les croix sur les maisons. Deux à trois jours, les populations, même les résidents, et fasse ces marquages-là pour ignorer cela. Donc on a mis un comité en place qui a recensé toutes les occupations anarchiques. Donc au total, on a recensé 691 maisons de gens qui ont occupé ces espaces. Dans les 691, il y a 500 maisons construites, certaines même en matériaux définitifs en étage. Il y a d'autres terrains, des garages euh, qui sont au nombre de 184. Et dans tous les 691, il y a que 24 qui détiennent des actes de cession de la mairie. C'était là donc euh, l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Agadez, le chef de bataillon Assarida Al-Mustafa. Alors 691, donc près de 700 maisons qui sont construites anarchiquement sur le site de l'aéroport euh, international international Dayak. Et selon toujours l'administrateur, euh, il n'y a qu'une vingtaine de personnes qui auraient leur acte de cession de leur maison. Alors, Hussein Issa, je commence avec vous. Quelle est votre réaction Comment comprendre cela ben, moi, je veux dire, hein, se c'est le laisser aller, c'est le laisser faire qui occasionne ce genre de situation. N'est-ce pas Le plus souvent, qu'est-ce qui se passe C'est que les gens observent faire. C'est après coup, mhm. ils, observent. Parce que dès le départ, quand quelqu'un commence à construire, on parle bien de l'enclave de l'aéroport. À partir du moment où on constate quelqu'un qui vient, il pose des prix, il commence à construire, on doit le déguerpir. Ça C'est-à-dire de manière, même s'il faut le, faut, de manière, comment de manière militaire, comme on dit. Mais malheureusement, on laisse faire. Les gens vont venir s'installer progressivement. Et au bout d'un certain temps, on réalise que c'est des gens qui sont venus de manière illégale s'installer. N'est-ce pas Ça pose un problème. Ça pose un problème de suivi. On parle de l'enclave, n'est-ce pas Mais c'est la même chose aussi à Niamey, ici. Mais, mais justement, pour revenir à Agadez, à qui la faute même Mais à qui la faute Les autorités communales, les autorités, comment dirais-je, locales. Parce que c'est eux qui doivent surveiller. Parce que certainement. sur environ 700 maisons, il n'y a qu'une vingtaine qui auraient. Il y a euh, une vingtaine, même cette vingtaine-là. On leur a dit une vingtaine qui ont des actes de session. Mais ce n'est pas la, la, communauté urbaine, et comment dirige la, la, commune qui leur a donné. Ce n'est pas la mairie qui, leur a donné. ces... Alors que, sachant pertinemment que c'est un espace, normalement, qui ne doit pas être construit. Mm. C'est pour faire un peu la liaison avec ce que je suis allé voir à l'aéroport de Niamey. c'est des agents de la SECNA qui m'ont appelé. Je suis allé sur le terrain. Ils m'ont montré comment les gens sont en train d'occuper anarchiquement, construit, y compris des maisons à étage, dans l'enclave de l'aéroport. Alors que c'est interdit, c'est un espace qui est normalement réservé. Personne ne doit construire là-dessus. Hmm. Alors, on laisse faire et au bout du compte, on veut un bon matin se lever pour dire il faut. Non, de manière, comment dirais-je, forcée, il faut, il, faut, il faut faire partir ces gens-là. Hmm. Parce que c'est un danger. C'est un danger parce que quand on parle d'enclave, ça veut dire que il y a tout et puis les extensions possibles au niveau de l'aéroport vont être elle ne peut pas être réalisé mhm. Quand on veut agrandir l'aéroport, c'est n'est mhm. pas possible. Mhm. Parce que c'est des espaces qui sont réservés, qui doivent normalement pas être, qui, doivent, normalement être occupés par des populations euh, comme ça et de manière anarchique. Voilà la situation. Se le laisser faire. Il faut, il faut détruire. Il faut détruire. Parce que, un peu, je, je veux dire, c'est comme si les gens pensent que, bon, on peut tout se permettre. On parle d'un aéroport. Hein. On ne parle pas, euh, comment ça s'appelle, euh, bon, peut-être d'un espace qui est là libre. C'est un aéroport. Quand on fait les enclaves, c'est parce que tout simplement, demain, on peut essayer d'agrandir l'air de vous parlez, vous parlez d'un laisser-aller euh, des autorités. Est-ce que les concernés eux-mêmes ne savent pas que c'est ce temps mais non, mais, non, le problème, mais pourquoi Les concernés, même mm. s'ils le savent, les gens aujourd'hui, vous savez, un peu l'accaparement des terres. Mm. Les gens, chacun veut avoir sa maison quelqu'un va vous vendre, parce qu'il faut poser la question, qui leur a vendu ces espaces-là mm, mm. Parce que c'est ça la principale question. Mm. La personne ne peut pas venir s'implanter comme ça. Ça veut dire qu'il y a une complicité au niveau, comment dirais-je, de l'autorité communale. On leur a vendu, il y a des gens qui font des affaires autour de ça. Et aujourd'hui, on vient, on dit non, ce n'est pas leur domaine, ils ne peuvent pas rester ici. On peut arrêter ça immédiatement. Et le tout n'est pas d'arrêter il faut chercher à savoir qui sont ceux-là au niveau de la municipalité qui ont vendu ces espaces parce que mm. les gens ne peuvent pas venir construire comme ça sans une auto, en tout cas sans, sans, sans un acte légal qui montre que l'espace c'est l'affairisme. Il faut mettre fin à ça. Moi, je me dis, on ne peut pas continuer avec l'anarchie. D'accord. Alors, Abdoulaye, euh, près de 700 maisons qui sont construites anarchiquement euh, aux alentours de l'aéroport international Mano Dayak, euh, des lieux qui sont occupés depuis des années. quelle est votre réaction Ces personnes sont censées déguerpir selon l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Agadez. Quelle est votre réaction Oui, euh, le gouverneur en compagnie de l'administrateur délégué, les autres autorités de la ville d'Agadez, oui. étaient allés effectivement sur le terrain je crois, à la demande même de la dans une perspective de vouloir, euh, n'est-ce pas, clôturer, n'est-ce pas, donc euh, euh, le périmètre de l'aéroport international Manou et également de faire répondre, n'est-ce pas, l'aéroport aux normes, n'est-ce pas, donc mhm. internationales, n'est-ce pas, en matière aéroportière. Alors, il s'était trouvé que le constat a été fait, vous l'a rappelé, vous l'avez rappelé également, qu'il y a eu des constructions anarchiques, des occupations anarchiques sur près de 691 euh, maisons, 500 maisons ont été constatées, construites même en matériaux, définitifs pour euh, mm-hmm. certains, à, étage également même, mm-hmm. tout ça. a, euh, sur les 691, 24 ont eu un acte de, de cession. Mhm. Maintenant, ce qui s'est passé quand la euh, SECNA voulait mettre en valeur, euh, n'est-ce pas, faire la clôture de son, de son espace, et là, quand même, il a écrit, n'est-ce pas, une correspondance qui date de 2014 pour dire à tous ceux-là qui occupaient anarchiquement euh, son, espace de vouloir, de devoir libérer les lieux et puis même d'arrêter toute construction. Hussein vient de le rappeler, l'entêtement des uns et des autres a eu à faire en sorte que, et le laisser aller, n'est-ce pas, du point de vue de certaines autorités euh, politico-administratives, On mhm. ont fait que, bon, les gens ont continué à construire de façon énergique, croyant peut-être qu'un jour, au cas où on leur, leur dirait de, de, peut-être mhm. ils pourraient prétendre à un certain dédommagement. Or, dans ce cas de figure, euh, ils sont sommés pour l'instant d'arrêter les constructions et peut-être même de, quitter. Le gouverneur a dit qu'ils vont essayer de trouver des endroits pour, les, mhm. pour les reloger. Mhm. Alors, les reloger, oui, mais ce qui a été déjà fait, mais ça, comment est-ce qu'ils vont, ils vont, ils vont se machiner, ils, mhm. vont, ils vont gérer ça, les constructions, etc. Non, je crois que c'est la sensibilisation qui va être euh, privilégiée pour que les uns et les autres puissent accorder leur violon et faire un dégarpissement ou bien un dégagement à, à visage humain. Oui, oui, vient de le relever, cette question d'occupation anarchique de certains euh, espaces euh, ne concerne uniquement pas Agadez, certaines capitales du, pays aussi. comment comprendre cela Est-ce toujours le laisser aller des autorités Bon, je crois qu'il faut, il faut pratiquement, moi je remettrais ces situations sur le dos, n'est-ce pas, de, de, de, la gestion du pays, euh, la gestion antérieure du pays où c'était pratiquement l'affairisme, n'est-ce pas, qui était mis en, mise en avant, où c'est le, on, le laisser aller tout ça, la politique a pris le dessus sur beaucoup d'autres considérations euh, euh, patriotiques, n'est-ce pas Donc, il faut penser à cela. Ce qui fait que, si vous prenez même la sommation de la SECNA, mhm. ça date de 2014. 2014, 2014, on a vu, 2014, ah, c'était encore le régime de la, de, la Renaissance qui avait en, ce moment euh, trois ans. Mhm. Et ça continué, ça a perduré. Et je crois que même avant la visite même peut-être du gouverneur la semaine passée, c'est que certains étaient en train de construire encore, mhm, mhm. voyez-vous. Donc c'est vraiment euh, un peu compliqué, c'est que il faut quand même que aujourd'hui, que nous sommes dans un régime de transition militaire, que, n'est-ce pas, la patriotique, et que euh, euh, comment est-ce que je veux dire que le bien, le bien mhm, public, n'est-ce pas, soit respecté et, et considéré comme un bien public mhm. n'y touche pas. D'accord. Alors, selon toujours quelques résidents même euh, du quartier Tadresse, c'est Agadez, euh, dont la présence est jugée illégale, cette décision de déguerpissement pèse sur eux. Aujourd'hui, quelle sera la suite c'est quand même de, de, de, privilégier le, le, le, dialogue. C'est même pas le quartier, même au, niveau de la zone 200, 201 de, de, la base 201, mhm. il a été question de morcellement, de constater des morcellements de, terrain. Euh, une zone réputée militaire, vous voyez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette situation d'Agadez au niveau de la zone euh, de, de l'aéroport, n'est-ce pas, est un grand problème un problème social, un mhm. problème humain, ou comment est-ce qu'il faut faire pour que ces gens-là qui sont obligés de quitter, parce que c'est ça, ils, sont ont parlé de mhm. de, de, quitter, de déguerpir. Mhm. Maintenant, il faut trouver une alternative, une alchimie, une alchimie pour eux, peut-être une parade, pour que ça ne soit pas trop, euh, trop dur. Mais quelque part aussi, quelque part aussi, il faut, il faut, il faut, il faut sévir. C'est eux leur entêtement qui leur a, a coûté cela, donc ils n'ont qu'à supporter. Moi, honnêtement, tout à l'heure, et comment s'appelle le constat a été fait depuis 2014. Mais ça a continué, n'est-ce pas Ça a continué. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un entêtement. Chacun hmm. parce que dès que ça commence, moi j'ai dit, il faut jamais attendre que ça, ça, ça atteigne un certain niveau. Dès que ça commence, ça veut dire que même les autorités communales, et je viens de souligner quelque chose, ça, mais les terrains là, où les gens ont construit, c'est parce qu'il y a des gens au niveau de l'administration, notamment l'administration communale, mhm. qui leur a vendu les terrains. Mhm, mhm. Quand même, les autorités sont censées arrêter. Dès le départ, on doit pouvoir arrêter. C'est pas quand la personne, jusqu'à ce que ça devienne un quartier, parce que cette maison, c'est quand même un quartier. en tout cas, euh, je peux dire tout un bloc. On attend jusqu'à ce que les gens construisent. Et après coup, on vient, on dit, il faut quitter, il faut des dommages. Non. Moi, j'ai dit, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Mhm. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas ça seulement. Y compris quand on a vu ce qui s'est passé à la ceinture verte. Parce que moi, j'ai connu la ceinture verte là, mhm. depuis vers les années 70. Qui a subi le morcellement. Qui a subi des morcellements et tout et tout. Les gens ont observé faire. Mais tout ça s'est fait avec la complicité des autorités. Ce mhm. C'est pas déjà, moi, je peux pas me lever pour voir parce que c'est un terrain vide. Je viens avec mes briques, je vais construire. C'est parce que tout simplement, il y a un acte qui m'a été délivré, j'ai dû payer de l'argent. Il ne suffit pas simplement, mais il faut chercher ceux-là qui ont donné ces terrains-là, mmh, mmh, mmh. aux gens qui ont construit. Parce qu'ils ont dû payer, ils ont payé l'argent. C'est pas, tu peux pas venir voir un espace vide et puis amener tes briques et puis mhm, non, mhm. ça n'a aucun sens. Alors ici donc, euh, selon Ousseini Abdoulaye, euh, sur cette question d'occupation anarchique euh, du site de l'aéroport international Mano Dayak, il y a deux points le laisser aller des autorités et l'entêtement même des populations qui continuent d'occuper ce, site. Hassan Boukar, quelle est votre réaction sur cette question? Merci beaucoup. J'aurais la, même, je partage ce que Hussein vient de dire. Mm-hmm. On a connu d'autres expériences. Prenons 50 mètres là à côté de Talaï. Il y a, il y a quelques années, qu'est-ce qu'on a fait On est venu dire que les gens ont construit sur un terrain qui est de l'espace public, mm. qui appartient à une institution, et qu'il fallait déguerpir les gens on a effectivement déguerpi les gens. Quelle a été la solution mm-hmm. les, les, conséquences, je veux dire. On a pris des gens, qui ont mis 5-10 ans pour économiser de l'argent. Certains sont allés s'endetter dans les banques, ils ont fait la tontine, ils ont tout fait pour venir construire. Et on a dégagé ces gens-là. Maintenant, quand on vous dégage, certains ne peuvent plus avoir le courage de réunir les mêmes moyens pour reconstruire une maison. Mm-hmm. Et une institution comme un aéroport, ça a quand même une zone bien délimitée. Effectivement. On ne devait pas laisser les gens construire. Ça a un coût, c'est énorme. Là, j'entendais Hussein parler de 700, mais 700 maisons, c'est toute une ville. c'est 691, donc près de 700, maisons. il faut aussi évaluer le coût social. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'il est plus facile de dégager l'aéroport de dégager 700 ménages. Parce que nous sommes au Niger, dans un ménage, il y a combien de mm-hmm, personnes en mm-hmm. moyenne vous avez Si vous dites 700 ménages, c'est énormément de personnes qui vous mm-hmm, dégagez. Et donc, il y a des moments où, face au coût social, il est plus facile de dégager l'aéroport que de dégager les maisons. Les aéroports se dégagent. Regardez l'aéroport international de Dakar qui était en pleine ville on l'a dégagé carrément, on l'a amené à 50 km de la ville, on, a, on a laissé juste l'espace. Et donc, il y a des moments où c'est plus facile de lever les institutions que de lever les maisons. Et encore une fois, une ville, ça se construit et ça se conçoit. Dans une ville, vous avez des espaces réservés aux habitations, vous avez des espaces réservés au commerce, vous avez des espaces réservés à des institutions comme un aéroport qui ont vraiment besoin de l'espace. Mm. Donc, si on néglige tout ça un jour ou l'autre, on est rattrapé. Et parfois, c'est facile de dire aux gens, allez, vous partez parce que c'est l'espace mhm. public. On ne devait pas laisser les gens. Donc, vous estimez que vraiment ce déguerpissement n'est pas une solution en soi Il y a tout un processus ah, à ah, suivre Non, à mon avis, il y a des responsabilités. Mhm, mhm. Parce qu'on a laissé les gens s'installer. Deuxièmement, il faut qu'on apprenne à tirer des leçons. On a vu plusieurs cas où on a laissé des gens construire ou sur des terrains inondables, on en a beaucoup parlé sur ces terrains, mm-hmm. on ne devait pas laisser les gens construire, ou sur des espaces qui appartiennent à des institutions comme un aéroport. Et c'est après on dit aux gens de partir. Dans un pays où la pauvreté est la chose la mieux partagée, mm-hmm. les gens sont pauvres. Et donc quelqu'un met 4-5 ans et, on, ne sait pas comment elle réunit les moyens. Il vient, d'installer sa famille, on le Je pense que le coût social est très coûteux. Mhm, mhm. Alors, les prochains jours, nous en dirons plus sur cette question. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Deuxième sujet du forum de la presse de ce vendredi, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a signé le mardi 12 et mercredi 13 novembre 2024 des arrêtés distincts mettant fin aux autorisations d'exercice de l'ONG française Agence d'aide à la coopération et au développement ACTED, de l'ONG nigérienne Action pour le bien-être APBE et l'ONG internationale Lingou Safety Organization INSO Niger. Les arrêtés signés par le ministre ne précisent pas les raisons officielles justifiant le retrait de l'autorisation d'exercice pour ces ONG. Abdoulaye, quelle est votre opinion à ce sujet Depuis un certain temps, le ministre de l'Intérieur a pris sur lui la responsabilité de regarder, n'est-ce pas, le, comportement des ONG mm-hmm notamment les ONG même internationales. Mm. Euh, il s'était trouvé que lors d'une rencontre, il avait même euh, mis en exergue le fait que des ONG ne sont pas à jour mm. et que les rapports ne seraient pas euh, déposés à temps. Et quelque part, il y a une sommation, n'est-ce pas, jusqu'au 31 mars pour que les ONG qui sont dans de régularité, de mhm. se conformer à la législation. Alors, nous sommes dans une dynamique de souveraineté et surtout de quête de, de paix, mhm. n'est-ce pas De, lutte contre l'insécurité. Il s'était trouvé que parmi les, les ONG qui ont été sanctionnées euh, hier ou avant-hier, notamment ACTED, cette ONG, n'est-ce pas, a quand même été suspendue un certain, temps, en 2021, je crois, par le gouverneur de, DIFA mhm. pour des griefs, notamment, euh, je ne sais pas, un comportement euh, de suspicion, euh, chose comme ça, n'est-ce pas, qui mm-hmm. pourrait porter une atteinte, n'est-ce pas, importante, coup dur à la, à la, à la, sécurité. Mm-hmm. Alors, dans cette euh, situation, si le ministre est arrivé à prendre euh, cette, euh, situation, cette, ces, arrêtés, mm-hmm. c'est que quelque part, il y a des griefs, n'est-ce pas, bien fondés qui l'ont poussé, n'est-ce pas, à prendre, à agir de la sorte. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, dans ce combat de souveraineté tout récemment, le, gouvernement français même a eu à dire que ils ont été les, la, DGC e française a été même euh, infiltrée par, euh, par, le pouvoir de Niamey. Mm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le CNSP prend à bras le corps cette question sécuritaire. Mm-hmm, mm-hmm. Vous, comprenez, vous comprenez Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas une ONG qui est sur place à Niamey qui peut masqué, n'est-ce pas, qui peut passer inaperçu dans ses actions n'est-ce pas euh, Oui, mais jusque-là, les autorités se sont réservées euh, de donner les raisons officielles justifiant donc le retrait de l'autorisation d'exercice pour ces ONG. Euh, Abba, l'ONG Action pour le bien-être, contrairement aux deux autres, est une ONG nigérienne et intervient dans la lutte contre la malnutrition maternelle et infantile, la protection des droits humains et le soutien au développement pastoral. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une telle décision pourrait impliquer euh, avec cette suspension du ben, ONG Écoutez, euh, dès lors qu'on dit que les autorités n'ont pas dit la raison officielle, ça laisse la voie à toutes les spéculations. Oui, c'est ça. Donc euh, c'est difficile de comprendre quelles sont les raisons. Du coup, par exemple, pour l'ONG Acted, là, Abdullah a rappelé que ce n'est pas pour la première fois que ça arrive. Mm. Évidemment, comme il l'a dit, dans la région de Difa, le gouverneur Issa avait un moment suspendu, suspendu Acted justement à l'accusant d'actions qui n'étaient pas très claires, etc. Bon, à l'époque, on avait pensé que c'est des choses qui étaient en rapport avec la sécurité dans la région de Difa. Donc là, ça revient pour une deuxième fois. Du mm-hmm. coup, on s'est dit, est-ce que ce sont toujours les mêmes griefs euh, qui l'expliquent Maintenant, pour les autres, on ne sait pas. Bien en fait, euh, les autorités ont des raisons. Je pense que la seule chose qui empêche que les gens aillent dans tous les sens, c'est de dire au fond quelle est, quelle est la raison. Quel est l'avantage Ça rassure les citoyens quand on donne la raison. Deuxièmement, ça dit aux autres ONG c'est que le CNSP n'accepte pas de la part des ONG. Mm-hmm. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de communication, je ne suis pas sûr que ça sert le CNSP. C'est bien de dire quelle est la raison pour laquelle on est arrivé à ça. C'est-à-dire que quand vous communiquez, vous dites voilà les raisons, et donc ça évite que d'autres structures fasse la même chose. Hmm. Euh, là, une ONG qui travaille sur les questions de la nutrition, ça aussi c'est arrivé. Je pense que ça doit être à Magaria, où une autre ONG, pendant la 7 République, a été sanctionnée par les autorités parce qu'elle euh, n'arrivait pas à s'entendre sur la communication autour justement des questions de MSF, tout à mhm. fait. Donc, il y, a sans doute des raisons pour lesquelles c'est arrivé. maintenant, je pense que la seule façon euh, de mieux gérer cette question, c'est de communiquer. Je pense que c'est bien de... Par exemple, là, sur les réseaux sociaux, alors les gens disent, oui, acte d'un ONG française. Donc ça va dans la logique des autres actions. Mhm. Ce sont toujours les spéculations. oui. Euh, ils sont sanctionnés parce qu'ils sont français. Mhm. Donc, voilà un peu le type de spéculation qu'on trouve. Or, j'imagine qu'il y, a quand même d'autres ONG françaises ou ONG qui n'ont pas été sanctionnées. Et mhm. donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière mhm. Donc, euh, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de communication officielle, les gens vont spéculer dans tous les Alors, aucune euh, explication, aucune explication sur euh, le retrait de l'autorisation d'exercice pour les ONG Acted, INSO et APBE. Ousseini, quel est votre commentaire mais Je partage entièrement l'analyse de Abba, n'est-ce pas hmm. Parce que c'est à quoi on assiste aujourd'hui. On prend un acte. On dit on a retiré l'agrément, n'est-ce pas Il faut donner les raisons. Ça va éviter toute forme de spéculation. Il n'y a pas eu de raisons. On a dit voilà, c'est des ONG qui ont été suspendues. On ne sait pourquoi. S'il y a les raisons, on avance les raisons. Voilà les greffes et tout ça va au moins se rassurer, n'est-ce pas Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, y compris la dimension sociale. Parce que c'est des Nigériens qui travaillent souvent dans ces ONG-là, qui gagnent leur vie. Il y a donc des conséquences liées mais, à cela. Mais bien évidemment, des gens vont se retrouver au chômage. Mais si on donne les arguments, pourquoi on a fermé, au moins ça va rassurer les gens. Il n'y aura pas de spéculation. Mais tant qu'on ne dit pas les raisons pour lesquelles ces ONG sont fermées, les gens, ça, donne libre cours aux spéculations. Chacun va dire ce qu'il pense. Ça va même donner lieu à des critiques, n'est-ce pas mm. On a vu, y compris, pas seulement les ONG, mais y compris les sociétés de gardiennage. Les sociétés de gardiennage, un temps, il y a des sociétés qui ont été fermées. Mm-hmm. Il n'y a pas eu d'explication par rapport à ça. Je me rappelle aussi de la fermeté de Merci Corps, un temps. Mm-hmm. Mais au bout de quelques temps, on a, euh, comment dirais-je, on a levé l'interdiction l'ONG a repris au bout, de plus d'une semaine, deux semaines, a repris. Parce que souvent, c'est pas forcément parce que c'est des ONG internationales ou des ONG qui ont une envergure, une certaine envergure. Il faut chercher à savoir exactement et c'est au gouvernement de donner les explications nécessaires permettant aux populations de comprendre pourquoi la décision a été prise. Mmh. Mais tant qu'il n'y a pas ça, et tout le problème que les gens, en tout cas, reprochent, le, le, le, comment s'appelle, les insuffisances que les gens reprochent au mhm. CNSP, c'est le déficit de communication. Il faut communiquer, il faut communiquer clairement. Mhm, mhm. On ne se contente pas simplement de prendre un acte et puis on laisse les gens dans le doute. Parce que quand il y a la, la communication, y compris les travailleurs vont comprendre pourquoi parce que peut-être qu'il y a des acteurs au sein des ONG là qui font un travail qui ne correspond pas mhm. à la vision du CNSP. Il y a un déficit de communication. Le gouvernement a certes aujourd'hui euh, ses raisons de suspendre ces ONG. Quel peut être vraiment aujourd'hui l'impact dans les zones d'intervention, surtout la PBE qui intervient dans la lutte contre la malnutrition Oui. Il y a un impact direct. Mhm il y a un impact direct parce que les services de l'État n'atteignent pas souvent certaines populations, certaines couches. Au fin fond du Ce sont ces organisations-là qui arrivent au niveau de ces populations-là, n'est-ce pas, pour apporter l'assistance nécessaire dans des domaines bien précis. Hmm. Maintenant, en dehors de cet aspect-là, il y a aussi l'aspect dimension sociale des travailleurs. Parce y a beaucoup de travailleurs nigériens, chauffeurs, tout ça, qui du jour au lendemain se, se, se retrouvent au chômage. Hmm. Ils ne savent pas pour combien de temps. Hmm, parce que tout simplement, c'est ça aussi ils vont euh, peut-être qu'on euh, va leur payer le salaire pendant un, un, certain temps, mais après, ils, vont, ils seront obligés d'arrêter quand ça a perdu. Oui, Hassan. Oui, je, pense euh, que... quel est l'avantage du de mm. communiquer autour mm. de cette affaire Je rappelle que déjà l'ancien régime avait un moment une attitude qui avait mis un peu sur la défensive les ONG il y avait une sorte de, de, stigmatisation qui fait que les ONG étaient accusées de mobiliser beaucoup d'argent, qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Il y avait tout un discours, en fait, que les ONG ne comprenaient pas. Parce que normalement, le rôle des ONG, c'est d'accompagner l'État. Mm-hmm. Les ONG peuvent aller mobiliser de l'argent dans des guichets auxquels l'État n'a pas accès. Et il y a souvent énormément de ressources qui sont mobilisées au nom du Niger, que ce soit dans des périodes comme euh, la guerre actuelle et ses conséquences avec les réfugiés, lorsqu'il y a une crise alimentaire, lorsqu'il y a une crise... Les ONG arrivent à mobiliser. Normalement, c'est une bonne chose. Parce que le rôle des ONG, ce n'est pas de définir la politique d'un État, mais de s'inscrire dans la politique définie par l'État. Mhm. Donc, aujourd'hui, les autres ONG, mettez-vous à leur place. Mhm faut pas qu'il ait l'impression que c'est le prolongement de ce qu'il y avait déjà pendant la 7 République où les ONG étaient visés. Mm. Donc, c'est bien de dire, écoutez, il y a une faute propre à ces ONG qui fait que le CNSP a pris cette décision. Ça rassure aussi les autres ONG. Mm-hmm. Pour l'instant, on a quand même besoin de ces ONG. Il faut donc une communication autour euh, de cette affaire. Alors, nous allons observer une pause avant d'entamer le dernier sujet de ce forum. un forum sur la paix a été organisé les 8 et 9 novembre à Filengue, euh, région de Tilaberi, par la haute autorité à la consolidation de la paix, et ce en vue de réconcilier les habitants de neuf villages issus des départements d'Abala et Filengue en conflit depuis plusieurs années. Le chef de canton du Courfeuille par intérim Adamou Idrissa se dit confiant quant au respect des engagements pris par toutes les parties prenantes signataires de l'accord de paix. On l'écoute au micro de Abdoulaye Bagassa. Nous avons apporté notre contribution dans l'aboutissement de cet accord, moi à ma qualité de représentant du chef de canton. Nous avons eu également l'apport du chef de canton de Hamdelay et celui de Tondi Kandia. Ils étaient tous présents à la signature de cet accord. Nous nous réjouissons de cette ici Chaque tribu a fait l'exposé des problèmes qu'elle vit et les pistes de solution car il revient aux concernés de faire cette proposition. On leur a permis de le faire pour la paix. Ils ont choisi de jurer sur le Coran, mais il a été décidé de créer un comité avant cela. Chaque parti a donné des personnes qui vont la représenter au sein de ce comité, qui est chargé de suivre la mise en œuvre de l'accord. Un accord de paix signé donc euh, entre les habitants de neuf villages issus des départements d'Abala et Fulengue en conflit depuis plusieurs années. Et la particularité, comme vous l'avez entendu, de cet accord est que ces communautés ont juré sur le Coran de bannir à jamais un conflit entre eux. Alors, euh, Ousseini, euh, qu'en pensez-vous ah, C'est une initiative louable, hein, hmm. n'est-ce pas mais il faut aussi rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à, ces ce, genre de... Surtout dans la région de Tel Aviv, mm-hmm. n'est-ce pas Dans la zone de Zermaganda, oui, il y a eu plusieurs fois ce genre de forums où ah. on dit il faut réconcilier, il faut ceci, il faut cela. On est dans une zone où souvent le conflit, ce n'est pas véritablement les populations stables, les populations, c'est des gens qui se sont mis dans une position de hors la loi. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est plus, ils sont plus liés à leur communauté, hmm. n'est-ce pas C'est plus des individus que les populations elles-mêmes. Hmm. C'est ça la difficulté. On a mis en place ce comité, n'est-ce pas On a mis, comment ça s'appelle, euh, avec chaque, au niveau de chaque village, ils ont désigné des gens hmm, qui doivent euh, Mais le problème, c'est la canalisation de ceux-là qui sont hors des communautés. Parce qu'il y a des gens, c'est leur village, mais ils se sentent pas, en tout cas, ils, sont engagés dans, une logique de, violence, hmm. de ceci, cela. Oui, mais quelles sont d'ailleurs même les causes de ces conflits entre Justement, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est des questions, que, c'est des conflits qui sont apparus ces hmm. dernières hmm, années. À l'époque, il n'y avait pas de conflit. Maintenant, à la faveur de ce qu'on a connu comme insécurité ou de ce qu'on connaît encore comme insécurité, bien évidemment, il y a des gens qui trouvent leur compte en prenant des armes, par exemple. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, parce que moi, j'ai dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. Parce que c'est devenu un business. On s'attaque à un village, on prend le bétail, on va aller vendre d'ailleurs, on se fait de l'argent facilement. Voilà la situation. Il y a eu combien de forums, moi je me rappelle, mhm. y compris vers, comment Bangou. Et tout, ça. Alors, ça a servi à quoi Ça a servi à quoi Parce que les acteurs, les violents, ils ne sont pas dans ces forums-là. Ils ne viennent pas ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne veulent pas que la situation de violence prenne fin. Hmm. Parce que si ça prend fin, ils seront obligés de travailler pour gagner leur pain à la sueur de leur front. Hmm. Mais ils ne veulent pas que ça finisse. Hmm. Voilà la situation. C'est une initiative louable, mais on attend de voir ce que ça va donner. Parce que dans tous les cas, c'est des zones où, de tout temps, il y a eu des gens qui se sont mis à l'écart, comment dirais-je, à, à, marge de la société, parce qu'ils sont dans la violence ils, ils, ne vivent que de la violence. Mm. Voilà la situation. Mm. On peut bien mettre tous les neuf villages, mais <laughs> des fils de ces villages-là, ils considèrent que ça les engage pas. Mm-hmm. Oui, Abdoulaye euh, euh l'a dit, cet accord de paix est le énième euh, dans cette euh, zone où les conflits intercommunautaires sont fréquents. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la concrétisation de cet accord de paix, ce énième oui, merci. En fait, il y a un comité de suivi, je crois, qui a été mis sur place pour pouvoir suivre les recommandations issues, n'est-ce pas, donc, euh, du, du, forum. Deuxième chose, c'est que les, les, responsables ont eu à jurer sur, le, Coran, livre, le, Coran. Comme quoi, bon, on peut estimer que peut-être on peut donner une, certaine chance, n'est-ce pas La paix peut avoir une certaine chance avec ces euh, ce genre de, de, comportement. Mais ce que le plus euh, fondamental, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a cette ce volte-face, n'est-ce pas, de, après, après, après ce genre de rencontre. On, a vu euh, dans la zone de, de, Walam en 2000, je crois, en, 2000, en 2023, pendant que euh, le forum prenait fin, mm. où il y a eu euh, l'accord qui était pratiquement acquis, quand une, une, équipe, une unité de, de, de mm-hmm. n'est-ce pas, était tombée dans une, dans une embuscade, n'est-ce pas Alors, la paix des braves, oui, avec euh, sans, sans, violence, mhm. c'est l'objectif, n'est-ce pas, de ce genre de, de rencontre. Mhm. On va essayer d'attendre pour voir. C'est ce n'est pas uniquement à, à, à, On a vu dans la zone de, de, de Difa, peut-être là-bas ça va un peu. Et ça va avec euh, les tribus mm Touareg et puis et les Arabes, tout ça, les Canaries et, les, mhm. les Donc on est en train de prendre des dispositions avec le dialogue, les forums, les différents forums pour que bon, on puisse avoir une, certaine cohésion pacifique entre les communautés. D'accord. Alors, euh, Hassan Boukar, un énième euh, accord de paix signé dans la localité de Filengue où les conflits sont vraiment fréquents. Aujourd'hui, comment consolider, comment consolider cette paix, la cohésion sociale, quelle doit être l'implication de tous au-delà de la signature de, cet accord par les euh, Alors, que, peut-on espérer de ce type euh, d'accord mhm. Je pense qu'une des choses qu'on peut espérer, c'est de casser certaines euh, choses qu'on a vues, par exemple au Burkina Faso, au Mali, où le bandit porte le nom d'une communauté. communautés. C'est-à-dire que faire en sorte que un bandit, un terroriste ne porte pas le nom d'une communauté, c'est déjà important. C'est-à-dire qu'au sein des communautés, qu'il y ait des accords de paix, vraiment des accords qui émergent des communautés elles-mêmes, soutenus par une institution comme la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, ça aide à casser les tensions entre communautés. Mhm. On sait qu'à un moment, eh, on avait peur aussi que ce qu'il y a dans le voisinage n'arrive chez nous où on stigmatisait une communauté en disant ce sont eux qui font le banditisme. On sait maintenant que tout le monde sait que les bandits, comme Hussein l'a dit, c'est souvent des individus qui s'engagent pour diverses raisons. Donc, lorsque les communautés arrivent à s'entendre en disant, écoutez, entre nous, on a vécu pendant des décennies, peut-être des siècles en paix. On peut continuer à vivre euh, cette paix-là entre communautés. C'est déjà important. Maintenant, la question que ça pose, quelle est la capacité d'une communauté à influencer un de ses membres qui a pris le chemin qui est au décrit. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. C'est-à-dire que quelqu'un qui part, qui s'engage dans un groupe armé, parce qu'il a des intérêts financiers peut-être, il a d'autres intérêts, il s'engage dans ce groupe. Quelle est aujourd'hui la capacité de cette communauté à influencer cet individu Quel est le lien voilà. Est-ce que cet individu se réclame toujours d'une communauté On a connu cette Afrique où les patriarches, n'est-ce pas, ont une influence sur les individus, une Afrique solidaire, communautaire, où les leaders religieux, mhm. les leaders coutumiers sont écoutés et ils sont capables d'influencer le comportement de chaque membre. C'est-à-dire que la pression communautaire, elle est forte sur les individus au point où les gens se dégagent très peu des voies tracées par une communauté. Mhm. Parce qu'on se sent avant tout comme membre d'une famille, d'une communauté, etc. Euh, la question s'est posée avec Boko Haram aussi, par exemple au Nigeria, au Cameroun, où les gens se demandaient dans tout ce combat qui a duré une dizaines d'années, est-ce qu'on a négligé des mécanismes communautaires de résolution de conflits Est-ce qu'il y a encore des choses de ce type qui existent dans les communautés du mm-hmm. bassin du lac qu'on peut valoriser et par exemple euh, on peut toujours se demander des choses comme la parenté à présent que tout le monde connaît est-ce qu'il y a donc au sein de nos communautés même si c'est des bribes mm-hmm des mécanismes qui ont été éprouvés à travers l'histoire, qui ont fait leurs preuves et sur lesquels on peut s'appuyer mm-hmm. Parce que jusqu'à présent, on a utilisé des solutions institutionnelles, mm-hmm. euh, l'armée qui passe sur le terrain, etc. Donc là, euh, avec tout ce qu'on a vu, déjà, vous avez rappelé, autour de Banibongo, dans la zone de Walam, etc., il y a eu d'autres accords. Mm-hmm. Peut-être que c'est bien de continuer cela. Au moins, ça rassure les communautés. Maintenant, avec l'aide des communautés, la question c'est comment influencer les individus, mm-hmm. comment agir si quelqu'un qui soit d'une communauté ou d'une autre, de Filengue, de Walam ou de Terra, comment la communauté peut réagir. Est-ce que les chefs traditionnels sont encore écoutés mm-hmm. Est-ce que les autorités religieuses ont encore la capacité de dire, écouter au nom de la paix. Voilà. Alors, est-ce que ces choses-là, à mon avis, il faut aussi explorer de ce côté-là. Mais évidemment, une des choses qu'on voit aujourd'hui, on voit des individus, hein, quelquefois, qui sont partis eux mhm. d'eux-mêmes. Euh, encore une fois, dans la région de Diffa, on a vu. Il faut l'implication donc euh, de tous. Alors, Ousseini, euh, au-delà donc de ces accords de paix qui sont signés un peu partout, est-ce que il y aurait d'autres mécanismes à suivre pour consolider cette paix, ramener ah, ah, ah, mhm. Comment s'appelle l'influence des leaders n'est-ce pas, les leaders, je veux dire les imams, les chefs traditionnels et tout. Mais malheureusement, la, situation, c'est le mécanisme, c'est le mécanisme traditionnel à l'époque, mhm, n'est-ce pas mhm. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Des individus d'un village X, ils vont aller agresser un village euh, euh, Y. Mhm. Et les populations de ce village-là, ils vont se dire, ah, ils viennent de tels villages. Mhm. Parce que dans, dans, ce cas, on va aller en représailles contre le village. Voilà la situation. Et c'est ce qui est difficile. Et ces mêmes individus-là, mhm. aujourd'hui, ils n'écoutent pas les chefs religieux, ils n'écoutent pas les chefs traditionnels, parce qu'ils ont pris goût. Ils ont pris goût à la violence qui leur génère des ressources. Et c'est pas facile, évidemment, de, les ramener sur le droit chemin. À l'époque, c'était facile. Mais aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur, Ou des gens, ils quittent, tout le monde sait, et c'est le plus souvent ce qui se passe. Hmm. Vous allez vous attaquer à un individu qui est hors la loi, il va aller attaquer un autre village, on découvre que chez lui, c'est lui qui est venu faire, ou c'est une bande de ce village qui est venu. Voilà ce qui fait la difficulté. Hein. Hmm. Parce qu'ils n'écoutent pas, ils ne viennent même pas assister à ce forum-là. Ils se sentent pas concernés. il y a une part de responsabilité de ces populations même dans cette question. Mais non, mais quelle part de responsabilité <laughs> mais Quand quelqu'un euh, euh, entre en rébellion, même avec sa famille, mhm. alors qu'est-ce qu'on peut eh, moi, une des choses à, la suite de à, à, laquelle je pense, par exemple, on accuse souvent les communautés d'abriter ces personnes cest dire que est-ce qu'aujourd'hui les communautés peuvent par exemple s'engager à dénoncer, ces personnes Là par exemple, ça aide les FDS. ça peut marcher. Mhm. Ça peut marcher à ce moment. On, ne sait pas si les gens sont prêts à le faire. Mhm. Si les gens arrivent effectivement à le faire, peut-être que ça aide les communautés à dire écoutez, on ne protège pas. on le livre. Mhm. Voilà. Oui, Abdoulaye. Dans, les, recommandations, il était, il, de ce de, de, rencontre, il est indiqué que bon, qu'il y a une une, franche collaboration entre la population et les forces de défense et de, sécurité, mm. pour privilégier les cas. Ah, ah, alors cette question-là, euh, je coupable, hein. <laughs> elle, elle, elle, est extrêmement importante qu'est-ce qui se passe mm-hmm. Vous avez, prenez euh, une communauté quelconque, vous avez des enfants de la communauté. C'est-à-dire que pour les gens de la communauté, la personne qui arrive avec le groupe armé, ce n'est pas simplement un bandit, mm. c'est le fils du voisin c'est le fils d'un cousin, c'est un membre de la famille. Mm. Livrer cette personne au fond, ce n'est pas une décision facile. <laughs> mais, mais est-ce que les communautés sont prêtes à le faire Mais pour, la sécurité, pour la sécurité, oui. Mm-hmm. est-ce que les gens mettent en avant la sécurité de la communauté pour mm-hmm. dire, écoutez, nous ne pouvons Justement, plus tolérer... à ce niveau, mm. donc, on devrait miser sur la sensibilisation, euh, l'importance de, de, dénoncer. Oui, bien évidemment. Oui bien évidemment, mais si, si ce mécanisme-là est mis en place, mm-hmm. parce que ceux qui vont les, individus qui se mettent hors la loi, s'ils reviennent dans le village et que les villageois eux-mêmes le dénoncent, on l'arrête. Mais alors, ça va régler le problème Mais non, il va aller voler, aller vendre, il vient dans son village, tout le monde sait que ce qu'il a fait, il revient avec de l'argent, il revient avec du bétail. Mais on ne va pas le dénoncer parce que c'est un fils du village. Voilà la situation. Et je me dis, effectivement, est-ce que les populations sont prises à s'engager sur cette voie. Ça, c'est une question essentielle. Mais est-ce qu'au niveau même des autorités, après cet accord-là, il y a un suivi euh, qui est fait Non, le problème du suivi ne se pose pas. Mm. Le problème véritablement, parce que moi je veux dire, il faut être pratique. Mm. Quand on veut lutter, mettre fin à ces conflits-là. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qui se passe C'est des représailles des, des, individus d'un village donné vont s'en prendre à, un, autre, village. Eux, ils comprennent qu'ils sont venus de l'autre village. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont quelle, va être la réaction mm-hmm. C'est de prendre des armées aussi pour venir attaquer ce village. Ah. Le village d'où viennent les brigands. Voilà la, difficulté. Vivement, L'autre question, mm-hmm. importante, mm-hmm. par exemple, il y a eu des discussions dans le cadre des rébellions qu'on a connues dans les années 90. Moi, j'entends bien des gens qui vous disent, en milieu rural, vous pouvez venir poser un acte répréhensible une fois, ou pour le faire une deuxième fois, il est difficile que vous le fassiez trois fois sans connaître qui vous êtes. Effectivement. Il y a quand même des connaissances traditionnelles. la arriver à, mm. à, mobiliser les communautés, à mm. leur dire écoutez, vous ne pouvez plus n'est-ce pas, laisser ces personnes habiter parmi vous, dénoncer ces personnes, ça aiderait beaucoup la lutte. En tout cas, la dénonciation, euh, elle est très importante. C'est pas euh, gagné à l'avance. Effectivement. <laughs> Alors, vivement d'autres accords de paix entre les communautés qui sont en conflit et la concrétisation, même la consolidation de la paix. C'est ici donc que se referme le forum de la presse de ce vendredi 15 novembre 2024. Nous étions en compagnie de Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, Ousseini Issa journaliste indépendant, et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant également. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme des jeunes les samedis et dimanches dès 17h avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et les forums en Hausa et Zerma les samedis et dimanches. La technique est assurée par Mustapha Ayouba. Je suis fille Adam pour la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.